Mais merci beaucoup, merci la presse, vous qui êtes venus couvrir vraiment cette, cérémonie. Euh, c'est dire que chaque année nous le faisons, mm. et aussi à temps réel. Euh, l'année dernière, c'est vrai que nous l'avions fait. Cette année aussi, on a voulu rééditer le même coup mm. pour dire que c'est une tradition chez nous à la mairie de Fanden. Je suis là en compagnie de Maman Cathy, Catherine Dion, présidente de la commission suivi et évaluation. Et donc là, le maire de Fanden, comme l'a déclaré M. le Président de la République, qui euh, a déclaré cette année, sociale, lui aussi, il, a fait donc de, de, ce terme, en tout cas, un, un viatique, un credo. Mm. Et donc, euh, c'est pourquoi il a cumulé et ce qui était dans le budget et ce qui était dans les fonds de dotation pour, euh, pour réunir toutes ces sommes et la mettre à la disposition des établissements scolaires de la commune de Fandem mm. les établissements scolaires, il y a donc 17 écoles élémentaires, donc deux privées. Il y a également deux CM et un lycée. Il y a aussi des écoles maternelles, trois qui sont officiellement reconnues. Euh, d'abord, euh, le montant est de plus, plus de 11 millions. de vous avez vu cette série de cartons alignés, bien empilés. Et donc, ce sont des, fournitures de, de, tous ordres. Vous avez des cahiers de 100 pages, 100 pages, 50 pages. Vous avez aussi des cahiers pour le secondaire, des cahiers de, 500 euh, pages, 400 pages, 300 pages, en spirale enroulée des adresses et voilà, tout ce dont en tout cas euh, les élèves auront besoin, et même des journaux de classe pour les enseignants. C'est pour dire que toutes les euh, en catégories d'enseignants sont, sont prévues et aussi euh, tous les autres d'élèves encore. Quand on parle d'année sociale, là, on se, on se donne à fond pour satisfaire la demande. Nous savons que quand, quand nous sommes en milieu défavorisé comme à Fanden, souvent les conditions ne sont pas réunies. Mais depuis l'avènement de M. le ministre des Forces armées, maire de la commune de Fanden, il nous sert chaque année de mettre à la disposition, en tout cas des élèves et des enseignants, tout ce dont ils ont besoin. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire, mais quand même cette année-ci, ça a été une exception. Ce, cet acte devait relever du conseil départemental. Mais depuis que nous sommes là, nous n'avons pas beaucoup senti, non, même pas senti euh, la, euh, la, présence du conseil euh, auprès de la mairie de Fanden. C'est pourquoi aussi la mairie a pris toutes ses responsabilités pour mettre à l'aise et ses élèves et ses enseignants dans d'excellentes conditions de travail il y a tous les élèves qui sont concernés par ces fournitures. Tous les élèves. Hein, euh, il n'y a, aucune, il a aucune, séparation, il n'y a aucune discrimination. Ils sont tous pris en compte. Les cas sociaux, voilà, tout, hein, tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, euh, ils sont pris en compte. Et je vous signale la présence de M. Denis John, euh, il président de la commission euh, de centralisation, des relations extérieures aussi. La commune a initié donc la clôture d'une école à Cœur de Mongoï la construction d'une salle de classe à Kermourimbay, la construction d'une autre salle de classe à saint thierry plus l'équipement aussi de ces deux salles de classe. Avant aussi, la mairie avait construit euh, euh, une garderie à Cœur et avait clôturé deux établissements euh, scolaires à Cœur également et à Cœur Donc chaque année, donc, le maire s'évertue à au moins réaliser des classes et des clôtures d'école. Euh, le message que nous, nous lancerons, c'est toujours un message non seulement d'encouragement, mais c'est un message vers la réussite des objectifs que nous sommes assignés. Mm. Euh, nous aurions souhaité que la commune de France soit la première parmi toutes les communes du Sénégal. Mm. C'est ce que le maire s'était même déclaré, lui-même. Mm. Et donc nous lançons un appel à tous les directeurs d'école que chacun puisse évoluer à son niveau pour qu'il fasse de meilleurs résultats possibles, que les enfants soient dans, d'extrêmes conditions de travail, pour que aussi les, les, les résultats soit là vraiment le moment venu mm. voilà. waaw dina ci content lol di te kontaan fii teewal fi monsieur le maire Augustin Tine moom mi nga xam mo jité maire mairie mairie depuis euh, le mois de depuis juillet 2014 Té bimu fi togué ba tey xalaatam yéenam ak pas-pasam lépp dafa nek ci nan lay fexé ba mbotayou commune Fandène muy jigen di góor di mag di ndaw élèves yeeg béykat ak ñëpp ku ci né xawa gis en tout cas loxo nguur ci commune bi ci walu bu nek ci fiñu tollu ni ñu ngi tollu ci période ouverture moo tax ma laaj waxe waxe waxe ay kay ak yu mel noonu hmm. waaye balaa dugg ci wax présenter nos deux conseils qui sont là euh, tonton de Dione président la commission euh, des relations extérieures hmm. Catherine présidente de la commission suivi évaluation hmm. Euh, ñom ñom ma gënoon jege moo tax ma né na nga ñëw fekk fekke lii parce que lu melni boko défé ko defee faw ah ñëpp yëg maire ci biir commune bi kon di wax ni euh li mom nek li nga xam maire da ko yag bëgg té at bu nek da koy def daw nak defoon nako fourniture yi na ba ay 5 millions wareen ji di président décrété ne année sociale mo am mu boole lépp li nekkoon ci fond dotation ak li nekkoon ci budget lépp mu boole ko jébal ko euh, njabootu njabootu école bi nekk fii ci commune Fandène. mu nekk ñaata euh, daanaka romb na onze millions. fukki millions ak benn romb na ko. Hmm. ah ñu war ko séddale fukki école ak juróom-ñaar mooy école élémentaire yi am na ñetti école maternelle am na ñaari CM collège d'enseignement moyen ak benn lycée. Hmm. boo seetee euh, nature fourniture ni ñu bindoo li nga xam ne fourniture yi mënul dem ci élémentaire secondaire kese la mën a hmm. donc pour wax ni. monsieur le ministre le maire sóoraal na ñëpp ku ci nekk yor en tout cas jot li nga xam ne moom moo ko warloo te comme ni nga ko waxoon sànq mi ngi ñax enseignant yi ku ci nekk fa mu nekk mu góorgóorlu góorgóorlu pour que xale yi mën a jàng bu baax góorgóorlu pour que xale yi am non seulement niveau baax mais am ay diplôme yu baax yoo xam ne bu subaa ñu mën a yor Sénégal yor bu rafet. li ñuy def nii conseil départemental moom la waroon moom la warloon ak communes mais daanaka bi ñu fi toogee ba tey. yëguñu teewaayu conseil départemental fii ci Fandène moo tax maire ni comme yàlla def na ah maire la te yàlla may na ko ndombu tànk du xaar kenn ci kenn dafay dafay daal dem fa muy dem ci état bi jëli fi ay moyen ñëw jàppale communauté am bi bu ko defee ñu xam vraiment li nga xam ne moom la ko président sas ci wàllu développement scolaire ci wàllu développement économique et social mm. waaw xam nga ko wax pompe ak école di nga wax directeur di nga wax comité de gestion école ba disposition yooyu jël nañ ko balaa ñuy wax waaye ouverture école ba en tout cas ñëpp jël seen disposition ba désherber defaraat classe yi de sorte que ñu mën a respecter loolu ñuy wax ubbi tey jàng tey tey jii yaakaar avant l'ouverture classe école bu nekk désherber nañ ko ndax fii mu amuñu ay cas inondation amuñu benn problème donc toutes les classes ont été désherbées les écoles les classes ont été nettoyées pour que les enfants la mën dans dans d'excellentes conditions mën a en tout cas ni ni mu effort yu bëri ñu ngi koy def ñu ngi koy def bu bu ñu génnee ci fourniture michel monsieur le maire chaque année at bu nekk def def diego jéego ci wàllu tabaxum classe daaw euh, enseigne tabax ak euh, classe u Kër Mori euh, saint Sancoro Sadio ak clôture école Kër de Bangoy daaw diego itam clôture woon nañu école Kër Assane Ndiaye ak école Kër Mor Ndiaye tabaxat encore école maternelle à Kër Assane Ndiaye encore rek wax ni xale yu ndaw yi sax bokk nañ ci programme monsieur le maire te loolu itam am na solo parce xale yi bu ñu leen teelee initié ci li nga xam ne moo xew ci jamono bu ñu màggee seen xel dafay teel a ubbeeku te dafay nekk njëriñ ëllëg